Hello. Soyez les bienvenus encore à une autre euh, journée que le Seigneur veut que nous soyons ensemble pour qu'on étudie la parole de Dieu ensemble. Et c'est vraiment une opportunité que le Seigneur nous a fait. Et chaque moment, on se rencontre pour étudier la parole de Dieu et savoir euh, qu'est-ce que le Seigneur en a pour nous. Alors, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à nos sondés des Écritures. Et vraiment, le Seigneur nous bénit actuellement concernant sa parole. Il nous enseigne chaque jour sa parole et il veut que nous puissions ouvrir nos cœurs à lui et qu'on entende ce qu'il a besoin que nous soyons. Et si vous êtes nouveau à cette euh, étude, nous sommes dans les études de Matthieu et nous avons sommes maintenant dans le chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 34. Nous prions que le Seigneur va nous aider, que nous puissions aller à la fin, que le Seigneur sera glorifié au nom de Jésus. Alors nous allons prier, Père, nous te remercions, nous te glorifions encore parce que c'est une encore journée que le Seigneur, tu as voulu que nous puissions, Seigneur, tu nous as donné cette opportunité de pouvoir écouter ta parole. Oh Seigneur, merci de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir se présenter devant toi pour écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, c'est que ce, aujourd'hui que tu nous guides, que tu nous contrôles. Donne-nous, Seigneur, euh, la compréhension. Seigneur, ouvre nos cœurs, nos entendements à entendre et à mettre en pratique surtout tout ce que tu nous enseignes. Et Seigneur, si nous prions que nous, poussons, nous devons être, Seigneur, des gens qui obéissent à ta parole. Et chaque moment que tu nous enseignes ce que nous devons faire pour pouvoir être bien, ouvre et ôte-nous le cœur endurci, le cœur qui est sombre, et donne-nous, Seigneur, un, cœur de chair qui entend et écoute ta volonté. Seigneur, merci car parce que nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Aujourd'hui, nous allons sur notre nous allons aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, nous allons aller rapidement dans notre euh, test d'aujourd'hui. Ben, avant que nous y allons, nous considérons quelque chose aujourd'hui et nous devons lire notre... Euh, nous regardons notre du notre thème qui est la parabole des ouvriers la parabole des ouvriers. Et nous allons voir notre eh, verset à mémoriser qui est dans le livre de Matthieu chapitre 20, le verset 6. Matthieu 20, le verset 6 qui dit, étant sorti vers la, la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire Amen. Nous allons aller dans notre test. Nous allons aller dans le hmm, notre test. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. À partir du verset 1. Matthieu chapitre 1. À partir du verset 1 il dit Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit des, le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il, convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Et il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire il leur dit, allez aussi dans ma vie et je vous donnerai ce que sera raisonnable. Et ils allèrent et sortirent de nouveau vers la onzième sœur et vers la deuxième, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire Et il leur répondit, et il leur répondit, c'est pour... Et dit quoi pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire Christ est le grand enseignant qui a vécu dans le temps et aujourd'hui. Vous l'écoutez chaque moment, il dit, le royaume des cieux étant comme. Il donne la parabole, il dit, le royaume des cieux est comme que celui qui cherche de bonnes choses. Le royaume de cieux est comme un grain de sénévé ou bien un grain qui est planté il dit le lion dessus est comme le, un maître, un maître, comme un, comme un semeur, comme un semeur. Il parle en parabole. Jésus-Christ parle en parabole. Un parabole qu'on peut se relier. Dans cette étude, nous allons voir que il a parlé, il a parlé de quoi des, Il a parlé de quoi Il a parlé de la parabole des ouvriers. La parabole des ouvriers. Des ouvriers qui il, dit que nous qui sommes appelés à faire le service de Christ, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions savoir quelle est la pensée de Dieu. Nous sommes, appelés à être des serviteurs profitables. Nous sommes appelés à servir Dieu, à œuvrer pour Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons considérer le thème la parabole des ouvriers. La parabole des ouvriers ou la parabole des servants. Et nous allons diviser ce, ce, ce, ce, étude en trois parties. C'est-à-dire le premier, ce serait l'appel au service du maître, l'appel au service du Christ, Le service du maître. Et deuxième, ce serait quoi L'engagement au service sans préjudice. L'engagement au service sans préjudice. Et troisièmement, on verra quoi On verra ce qui est la les corrections pour les serviteurs dans le ministère. Les, corrections pour les serviteurs dans le ministère. Revenons en point numéro 1. Bah, avant que nous y allons, il faut savoir que ce, ce, ici peut être encore divisé encore en, en, quatre parties. En quatre parties. Premièrement, on verra la parabole des, des serviteurs, des serviteurs, des ouvriers. Christ, il a il a donné la pédition de Christ en l'envers, quoi. Parce que quand nous regardons un peu, euh, avant que les, paraboles, ici, quand nous regardons bien le, les paraboles des ouvriers, normalement, on doit savoir que ça parle de ça doit être partagé, divisé en quatre parties. Et premièrement, on voit la parabole des ouvriers. Il a parlé, il a donné une parabole concernant les paraboles des ouvriers. Il a aussi donné une prédiction, une prédiction selon, il a parlé concernant sa mort. Il a parlé concernant sa mort, sa euh, crucifixion. Et il, et Jean et Jack sont venus auprès de lui et dit Ah, est-ce que qu'à la fin, est-ce que je peux rester à ta main droite et l'autre à ta main gauche Ils sont venus pour faire une requête, une demande ah est-ce que Jésus-Christ l'a dit Est-ce que il dit, il dit oui Il dit Sapez votre demande peut y arriver. Ça va arriver si vous allez adhérer à la volonté de Dieu. Alors, c'est nous allons, allons-y dans notre numéro 1, maintenant, on voit l'appel au service du maître. Regardons dans Matthieu chapitre 20, le verset 1 et 2. Il dit quoi 1 et 2, il dit Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit de la main dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convainc avec eux d'un dernier par jour et il les envoya à sa vigne. Et il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il les dit, allez aussi à ma vigne et vous donnerez ce que vous serez raisonnable. Et il y allait et sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième et il en fit de même. Il continue à appeler, il continue à appeler appeler les autres, venez, venez. Voyez, de la même manière, quand vous êtes appelé au salut, il faut aussi aller du roi là et piler aussi les autres qui viennent au salut. C'est ça qui est, c'est ça qui est important. Voyez, regardez, celui qui est le maisonnier, le propriétaire de la vigne, appelle les ouvriers à venir œuvrer et travailler. Beaucoup de personnes couvrent, euh, ils croisent leurs bras ils croisent leurs mains, ils sont isolés, ils disent Ah, moi, tu vois, moi, il n'y a pas pour moi, il n'y a, même pas un lieu pour moi pour travailler, il n'y a même pas un lieu pour moi pour travailler est-ce que tu ne peux pas le rejoindre les, les choristes Est-ce que tu ne peux pas le rejoindre les, gens qui sont sur les réseaux sociaux Tu ne peux pas rejoindre ceux qui sont sur l'évangélisation Est-ce que tu ne peux pas rejoindre ceux qui sont sur l'évangélisation Tu ne peux pas rejoindre ceux qui font les publicités pour advertiser, faire le travail. Ce pas que, ça n'est pas forcé d'aller rejoindre l'église ou bien travailler dans l'église. Vous pouvez travailler pour Christ hors de l'église. Vous pouvez travailler pour Christ hors de l'église. Ça va passer passer, ça va par, euh, par la force que surtout vous devez être appointé comme un leader, comme quelqu'un qui doit travailler à l'église. Si vous n'êtes pas appointé, si vous n'êtes pas désigné à l'église à travailler, allez-y est-ce que vous devez croiser vos bras et être isolé, être euh, croiser les mains et dire je ne pas travailler Non, Christ dit allez-y travaillez Allez l'appel, l'appel au service du maître, c'est vraiment un appel, c'est un service noble. Tous les croyants sont sauvés pour travailler, pour servir. Il faut savoir que Christ nous a sauvés pour qu'on puisse servir. On doit aller partager la bonne nouvelle aux autres personnes. Tu es sauvé pour sauver d'autres personnes. Tu, dis, ah, moi je suis un pasteur, je suis un leader à l'église, je suis un et euh, je suis d'un je suis d'un je suis d'un quoi quoi quoi quoi, n'importe quoi, vous donnez vos titres et vous croisez vos bras à l'église, faites rien. Ce n'est pas l'argent pour laquelle Christ vous a établi chef, euh, euh, chef. ce pas Christ, l'argent pour lequel Christ vous a établi là, c'est aller prêcher la porte de Dieu, même dans vos lieux de travail, même à votre lieu de professionnel, dans votre lieu de travail Prêchez la parole de Dieu, non au marché, au bureau, n'importe où vous êtes. Prêchez la parole de Dieu. Vous êtes à l'église, vous avez des frères et ceux qui sont faibles en, euh, euh, spirituellement, qui sont faibles dans l'esprit, qui sont faibles dans l'âme. Vous pouvez prêcher pour eux, vous pouvez prier pour eux, vous pouvez intercéder pour eux, vous pouvez aller auprès d'eux et pouvoir les encourager pour qu'ils écoutent la parole de Dieu, pour qu'ils soient réaffermis. Faut pas donner des excuses de quoi de quoi, parce que Christ ne va pas prendre cela. Vous voyez, dans le verset, dans le verset 6, regardez ce qui est dans dans le verset 6. Dans le verset 6, Christ les a posé cette question ici. Christ a dit, étant sorti vers la 11e il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la jeunesse sans rien faire Regardez ce qu'il Regardez, il faut regarder, il faut regarder leurs euh, excuses. Il faut regarder leurs excuses. Il dit, c'est que personne nous a loué. Allez, allez-y, c'est parce que personne nous a loué. Ça veut dire que vous êtes là-bas, vous dites que, oh, moi, je donne des excuses. Tu, donnes Tu dis, ah, personne ne m'a délégué, personne ne m'a choisi, personne ne m'a établi, personne ne m'a donné un travail à faire, personne ne m'a donné un, Le personne ne m'a pas appointé. On dit, viens travailler, viens faire ceci. on oh, viens travailler sur la, avec les, gens à, la, à la média. On oh, le, viens faire eh, être un ouvrier, viens être un surveillant vient être un choriste, vient être quelqu'un qui prend, euh, euh, euh, quelqu'un qui va prendre soin de la de et pouvoir balayer, mettre en place, nettoyer l'église. Et dire moi, personne ne m'a employé à faire ça. Alors cela la raison pour laquelle je suis isolé. Non. Ou est-ce que ne peux-tu pas, est-ce que tu ne peux pas prendre ton téléphone que tu en as, tu peux avoir un Android, tu as un, appareil qui est tellement bien sensibilisé, bien avancé, est-ce que tu ne peux pas prendre ce, ce, cet appareil-là partager même la manne quotidienne, les sons que tu partager les messages que tu écoutes sur le YouTube, sur le Facebook, ce que vous entendez et pouvoir partager cela aux autres personnes, dans les personnes qui sont sur vos contacts et qui ne sont pas de l'église. Vous pouvez les contacter, vous pouvez les partager pour qu'eux aussi soient et euh, repentis et se convertissent comme toi aussi et se réjouissent d'amour, la chose que tu as reçu en tant que en Tu ne peux pas le faire et tu espères enfin qu'on t'en qu'on te nomme comme dirigeant de quoi, comme serviteur de quoi, comme quoi, quoi, comme avant que tu ne fasses. Non, Christ n'est pas content de cela. Christ n'est pas content. Et tu es là, tu ne fais rien. Christ les a posés. Vous êtes là ici, tout sans rien faire. Il dit, ah, c'est parce que personne ne m'a loué. que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne plus de compréhension au nom de Jésus. et dit, la grande commission ne peut jamais être accomplie si on ne joint jamais nos mains. Voyez, dans Néhémie, voyez, il a, euh, euh, voyez comment, si vous voyez comment Néhémie a pu, euh, reconstruire les murs de Jérusalem, c'est quoi C'était une agglomération, c'était une, association. Et c'est pas lui seul qui l'a fait. C'est pas, euh, euh, seul qu'il a pu faire. Il a fait à travers une association, il a fait à travers une réunion, il a fait à travers comment une association ensemble. C'est ça qui lui a aidé à pouvoir le faire. Si on ne se réunit pas, si on ne se fait pas ensemble, n'importe quoi que tu veux faire, tu ne peux jamais le faire s'il n'y a pas d'union, s'il n'y a pas de l'association. Tu ne peux jamais le faire dans... Euh, qui a fait cela. C'est parce que il a eu quoi D'autres personnes qui l'ont rejoigni dans l'œuvre. Et c'est raison pour qui il a pu le faire. voyez Il dit il a dit euh, dans Néhémie, qui voulait dans Néhémie chapitre 4, verset 6, il a dit quoi Alors on construit les murs et les murs parce on était joignis ensemble. voyez Parce que les, les gens, le peuple était un en pensée. Un, uni en pensée. il était unis en pensée pour pouvoir construire le mur. Ils ont eu une seule pensée, une seule idée à travailler. Parce que le peuple ont eu une seule pensée. voyez, c'est un moment euh, de c'est vraiment quand ça peut être que même que ces ouvriers, ces ouvriers que le Seigneur a résolu de venir travailler pour lui, ça peut être que certains sont venus en retard, certains sont venus plus tard, certains sont venus premièrement, mais ça peut être que quand ils sont venus, ça peut être que certains ont été appelés premièrement à travailler, et d'autres qui sont aussi appelés après, vous voyez, d'autres ont aussi appelé après. Ça veut dire à la dernière heure. Mais quand ça peut être quand ils sont venus, quand bien ils sont venus à la dernière heure, ils ont travaillé durement. Ils ont travaillé durement. Ça fait que leur quand travail de ouais, c'est comme ça. Ils ont travaillé durement avec un seul cœur. C'est ce qui s'est passé dans Néhémie chapitre 4. Ils, je te pose cette question. Comment étant un serviteur de Dieu, Comment tu travailles pour Dieu oh, est-ce que vous faites ça Est-ce que vous réalisez Vous vous mettez au de de Seigneur avec la nonchalance, avec la faiblesse, avec n'importe quoi, tu de moi, je ne fais que faire. Vous ne, voulez de prier avant de vous négliger la commission, l'œuvre de Dieu. Comment entretenez-vous l'œuvre de Dieu Comment faites-vous le Est-ce que vous le faites avec une commission, une dévotion, un enthousiasme, une dévotion, une consécration totale pour pouvoir travailler cela Je prie que le Seigneur t'aide à pouvoir te donner complément au Seigneur et le faire avec tout ton cœur, tout ton âme et toute ton autorité, ta force au nom de Jésus. Et la puissance et la grâce de Dieu viendra sur nous au nom de Jésus. Revenons maintenant au, point, au, point, 2. Revenons au point 2 qui est quoi L'engagement au service sans préjudice. L'engagement au service sans, préjudice. Euh, lisons dans le verset 9 de, de Matthieu 20. Matthieu, Matthieu 9, Matthieu 20 plutôt. Lisons Matthieu, euh, Matthieu 20, verset... Euh, de notre test, Matthieu 20, nous à partir du verset 9. Matthieu 20, nous lisons à partir du verset 9. Il dit, euh, ceux de la onzième heure vinrent et recrutent chacun un dernier. Un dernier. Les premiers vinrent ensuite, croyant qu'ils recevront davantage, mais ils reçurent aussi chacun un dernier. Et en le recevant, le, ils contre le maître de la maison. Et il dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons apporté la fatigue du jour et la chaleur. Et le Seigneur, le Seigneur nous espère à rendre un service acceptable, acceptable à Christ. On ne doit pas servir le Seigneur en regardant qu'on veut une euh, récompense immédiate. Au lieu, le Seigneur, il faut te rappeler, le Seigneur nous a sauvés. Il a envoyé son seul fils unique de venir mourir à cause de nous pour nous sauver. Alors, quand nous travaillons pour le Seigneur, nous ne devons pas travailler le Seigneur dans le murmure en se comparant aux autres personnes, aux autres hommes, aux autres femmes. Si Dieu a béni une autre personne que toi, alors glorifie le Seigneur. Si Dieu a béni ton collègue, ton frère, ta soeur à l'église plus que toi, il faut glorifier le Seigneur faut pas dire, ah ah, moi j'étais dans cette église, j'ai été dans ce service pour longtemps et j'ai servi pour le Seigneur, pour que le Seigneur ne me bénisse pas et il bénisse cette personne-là. Et vous commencez à l'envier. Non, et vous commencez à murmurer. Et pas vous allez s'apercevoir que vous allez murmurer. Souvenez-vous, comme l'enfant prodige, le frère de l'enfant prodige, le frère de l'enfant prodige, quand le frère de l'enfant prodige est revenu, le, papa l'a pris et l'a donné de bonnes choses. Ce grand frère a commencé à murmurer. Il n'était pas content. Il s'est fâché. Il a dit Ah, ah pourquoi pourquoi Il a mangé tout, il est revenu maintenant, tu lui prends comme ton bon fils. Moi qui étais du travail pour toi, tu ne me tu ne, pas. Non, et il est venu maintenant, tu le célèbres. Non, non. Dieu déjà, eh, son père l'a demandé. Est-ce que tu n'es pas content que ton père, ton frère qui était perdu est revenu à la vie vous voyez C'est comme ça que nous, les enfants de Dieu, les croyants, doivent apprécier. Il faut être content. Les gens, certains croyant aujourd'hui, quand vraiment Certains croyants croient que lorsqu'ils font le travail, ils ont besoin des récompenses immédiates et que lorsque ces récompenses n'arrivent pas, ne leur viennent pas, alors ils abandonnent le service et se fâchent. Ils disent Moi, je vais relâcher la main à la roue, je vais travailler, je ne vais servir, je ne vais pas faire encore parce que je travaille et je ne vois rien de cela. Vous voyez, nous devons continuer à travailler et œuvrer pour le Seigneur quel que soit. Le Seigneur nous a sauvés et nous a rachetés par son propre sang, par son propre service, par son propre amour. Nous devons le faire de tout notre cœur, de toute notre volonté, de toute notre force, de toute notre volonté au service. Parce que lui-même, il a fait un service volontaire et total et complète pour nous et pour notre vie, pour nous donner. quest que, qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu qui sera égal à ce qu'il nous a fait je prie que le Seigneur nous aide au nom de Jésus, qu'on le fasse ta volonté. Revenons au verset 20. Au verset 20, il dit, alors, alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se posterna posterna, pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils, que voici, que voici Sois assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Regarde ce que Jésus-Christ les a dit dans le verset 21. Verset, 22. Il dit Jésus le répondit Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je bois, que je dois boire Nous le pouvons. Ici, nous le pouvons, dirent-ils. Et il et il leur dit. Ici, nous le pouvons. Il, il dit, nous pouvons. Mais regarde ce qu'il a dit. Quand ils ont répondu, ils le pouvant Verset 23, il dit, il, est, a répondu, il est vrai que vous pourrez ma coupe, mais pour ceux qui et vous serez baptisés, et vous d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. voyez dans le verset 18 et 19, Jésus-Christ a parlé de sa mort. Il a parlé de sa souffrance. Il a parlé de sa résurrection. Et, dans le verset suivant, euh, qui est dans le verset 20, on voit que dans le verset 20, il dit alors, ben, il dit, ce qui concerne asseoir sur ma droite et ma gauche, cela n'est pas de ma force. Jésus-Christ savait, il a pensé, il a parlé de sa mort, exagération. Mais il a, est-ce, est qu'il a parlé, il a dit les, les cercles qui vont s'asseoir sur ça droite, sa gauche, non Des positions. Je te pose cette question. Est-ce que tu cherches les positions Tu cherches les positions Tu cherches les positions Des, des positions dans l'église, des positions ici, et tu négliges euh, tu négliges la lèvre de Dieu, tu négliges, tu négliges, euh, tu, tu, négliges, tu négliges quoi Tu négliges, euh, vous négligez le le, sacrifice de Christ à la croix et vous développez votre travail. Et tu veux s'asseoir devant l'église, tu veux s'asseoir au front, tu veux s'asseoir à la grande place, au haut, à la haute table, devant l'église, que tout le monde te voit, que tu es si c'est toi qui le dis, hein. c'est toi c'est ceci, c'est ce que tu regardes et vous oubliez la croix, le service sacrificiel que Christ a fait. Christ a parlé de sa mort et sa résurrection, ce qui était important, mais il n'a pas parlé à ses serviteurs, à ses ouvriers, à ses euh, disciples concernant à ce qui va, celui qui va s'asseoir à sa droite et sa gauche. Non, mais Aujourd'hui, les croyants cherchent l'attention. Les, autres, aujourd'hui, les croyants désirent et cherchent quoi L'attention, la position. Il dit, moi, je ne veux pas rester sur, moi, je ne veux pas rester sur. Il dit, ah, ah pourquoi ils donne cette poste à cette personne, à cette personne, à ce type de personne, à ce type de croyant, à, cet individu Pourquoi ils donne ce titre à cet individu Pourquoi ils donne cette attention à cette personne et parce qu'il dit cela, il dit, ah, moi je suis le, digne, c'est moi qui devais être approprié, c'est moi qui a approprié à avoir ce titre, cette position. Non. C'est la raison pour Christ a prié pour les enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 17, Christ a dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vraie. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Par la, ta parole est vraie. Il les, a, il, a, prié pour leur sanctification. Il a prié pour que leur cœur endurci, pierreuse soit vous voyez Pour qu'ils puissent aimer Dieu de toute, leur, de toute leur force, de, de toute leur âme, de toute leur volonté et de toute leur force. Et elle a dit à Jean et Jacques, il les a donné Jean et, Jean et Jacques, il les a dit, ah, est-ce que vous pouvez boire de la coupe que je vais boire et vous serez baptisé du baptême que Dieu serait baptisé ici la question qu'ils les a posée. Ils ont dit oui, nous pouvons le faire. Et Jésus les, les a répondu. Oui, c'est vrai, vous pouvez boire de cette coupe et serez baptisé du baptême dont je serai baptisé. Vous serez vraiment, vous serez vraiment, vous allez boire de la coupe de la persécution, de la coupe de la souffrance, la, la souffrance du, gospel, de l'évangile, vous allez vraiment, vous allez vraiment boire de cette coupe. Ici, Christ à Gethsemane a dit c'est vrai, c'est possible. Il a dit c'est Père, permets que cette coupe de souffrance soit ôtée de moi, de moi. Vous voyez, cette coupe de persécution, dit, vous, en vérité, vous, vous pourrez avoir le allez boire de cette coupe. Jacques, et même Jacques dans le, livre de, dans le, voyez, souvenez-vous, dans le livre d'Actes, dans le livre d'Actes, Jean a été lapidé par Hérode. Et un historien a dit quelque chose, que Jean a été persécuté. Il a, il a, il a été mis même dans l'huile qui qui, qui, qui, qui, est l'huile bouillante. voyez Oui, ils ont bu cela. Ils ont dit oui, ils vont boire ça. Ils ont dit celui qui va vivre selon Dieu va souffrir la persécution. Bien, quand bien, mais il y a pas ma deux voix pour cela. Les gens, les gens vont parler contre toi. Les gens vont te les gens vont, ceux qui, surtout ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ont manque, ceux qui manquent la compréhension, ils ne vont pas t'aimer. Souvenez-vous, l'apôtre Jean a été banni et il a amené dans l'île de Patmos. Et là, là où il était, et c'est là, là qu'il a eu le livre de la révélation. Il a écrit, est-ce qu'il a posé, est-ce que tu peux boire de la coupe que je boirai je buverai. Oui, ils ont dit, oui, c'est possible, nous allons le boire. C'est la raison pour laquelle je prie que le Seigneur te donne la force, la force, le, la force, comme Christ a dit, ma force, ma puissance, tu te rendra fort dans ta faiblesse. Tiens ta, sa parole, tiens sa parole à demain, tiens-le par sa hanche et ne laisse jamais cette parole quitter ta, vie. Et tu tiens cette parole ferme et tu iras jusqu'à la fin. Et tu seras sauvé et tu auras la récompense. Mon frère je soeur, je prie pour la grâce. Mon frère là-bas, je prie pour toi que le Seigneur te donne plus de force, plus de grâce. Ma soeur là-bas, je prie que le Seigneur te donne plus de grâce au nom de Jésus ôte de toi la, la, les murmures, ôte de toi le caractère des murmures, des, des, des, des des, des caractères des murmures, des, des, des, des, souffrances qui sera en toi et qui va t'amener à se plaindre, de se plaindre, que le Seigneur ôte cela de toi, qui donne la force, le Seigneur sera avec toi et il va, il va te garder dans tes souffrances au nom de Jésus. Allons-y dans le troisième point, notre troisième point qui est, notre troisième point, on va voir notre troisième point qui est les corrections pour les serviteurs dans le ministère. Les corrections pour les serviteurs dans le ministère. Allons-y dans Matthieu chapitre 20, le verset 13. <clears throat> à partir du verset 13, Matthieu 20, disons à partir du verset 13. À partir verset 13, il dit, il répondit à l'un d'eux, mon, mon, ami, mon, ami, je ne t'ai fait, fait pas tort, n'es-tu pas contenu, euh, convenu avec moi d'un dernier, d'un dernier, prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi n'est-il pas permis de faire à mon bien ce que je veux Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Vous voyez Est-ce que ça n'est pas permis de moi de faire de bon à qui je veux si tu as été appelé premièrement Mais ce n'est pas comme dans ces contenus, vous les avez appelés pour travailler. Et c'est pas comme dans le cas, dans le camp. C'est pas comme dans le camp, dans le cas de, prenons le cas comme, non pas le cas comme, vous appelez quelqu'un pour qu'il travaille pour vous et pour qu'il vous le paye. Non, mais prenons le cas comme Christ qui a, c'est de lui-même, tu étais perdu, t'as racheté, il a payé le prix pour que tu sois en vie. Et tu vas maintenant pour travailler pour cette personne. Le Seigneur peut t'utiliser et il peut te travailler. Celui qui t'a acheté peut t'utiliser comme il le veut. Est-ce que, va, est que tu vas te donner complètement au Seigneur Dis Seigneur, je veux faire ce que tu veux. Aide-moi à rester avec toi. Aide-moi à rester. Si le Seigneur dit reste là, reste dans, cette, dans ce lieu, reste dans cette partie-là. Il, le Seigneur dit, tais-toi. Il a dit ah non, moi je ne peux pas rester ici. Pourquoi oh, tu vas dire, tu vas dire, ah, oh Seigneur, pourquoi on veut penser à ma position Pourquoi on veut me changer de ma position Non, le Seigneur dit, tais-toi. Est-ce que, il, il les a posé cette question, est-ce que ce n'est pas permis au Père, au Maître, à ton Maître de faire de toi ce qu'il veut Venons dans le verset 29. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Voyez Et il leur dit, que veux-tu Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient aussi dans ton royaume, l'un à ta droite et l'un à ta gauche. Verset, allons-y dans le verset verset 32. Alors, verset 31, verset 32. 31, 32. Il dit, verset 31 et 32, il dit La foule les reprenait pour leur faire taire, mais ils crièrent plus fort Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Verset 32. Verset 32, il dit Il s'arrêta et les appelait et dit Que voulez-vous que je vous fasse Ici, il savait que la seule solution d'appeler alors la seule solution à leur problème, c'est de pouvoir appeler Christ. Est-ce que vous voyez, vous croyez vous n'êtes pas aveugle Les gens sont aveugles là-bas. Les non-croyants sont aveugles spirituellement. Parce que nous savons que Christ a dit quelque chose, que les aveugles ne peuvent pas conduire les aveugles. Il parlait des pharisiens. Il ne parlait pas, il parlait, les, les, les, croyants, les non-croyants ne peuvent pas conduire les non-croyants, les pécheurs ne peuvent pas conduire les pécheurs hors du péché. Est-ce que tu as été appelé hors du péché Est-ce que tu as été appelé hors de cette sombreté à la lumière Pourquoi ne pas maintenant il dit, cette opportunité toi maintenant qui es dans la lumière, appelle les autres en cette lumière où tu te trouves. Et tu vas dire, Seigneur, regardez ce qu'ils ont dit. Il dit, fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié de Ils ont crié fort. Ils ont crié fort. Il dit, la Bible dit que que celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque, quiconque, quiconque appellera invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Il faut appeler le nom de Jésus, alors il va nous, il va, il va nous écouter, il va nous exaucer. Il y a des grandes choses de cette correction qu'il a fait. Il y a, que Christ a fait cette correction aux disciples. Premièrement, nous devons être, nous devons être, nous devons être ok avec ce que nous avons. Et Dieu, deuxièmement, Dieu à la, Dieu a la décision de décider de distribuer tout des personnes ou bien une seule personne ce qu'il veut. On n'a pas à déterminer ce qu'il veut. Troisièmement, nous devons glorifier Dieu quand il glorifie d'autres personnes, quand il bénit d'autres personnes, au lieu d'être jaloux. Et maintenant, contrairement aussi, nous devons éviter quoi Notre la, la charnité, la canalité d'entre vie. si on doit éviter cela, et nous devons rester dans Dieu, et nous pouvons apprécier la grâce de Dieu. Il faut laisser que Dieu ait le, la, le, contrôle total sur notre vie. Notre vie. Notre vie. Revenons dans le verset 32 de Matthieu chapitre 20. Il dit quelque chose. Il dit, Jésus s'arrêta et appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse Et il leur dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent. Jésus eut de compassion et toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Et le suivirent. Alors Christ la compassion. Il compassion. Quand ils l'ont appelé, il dit, il dit, Christ a dit, quiconque m'appelle, quiconque m'appelle, je ne, je, ne, serai en aucun camp lui laisser ou l'abandonner ou bien l'envoyer. Est-ce que tu es là-bas et tu vois les choses comme les choses ne vont pas comment ça peut être que tu as retourné tu es là-bas, ça veut dire que tu as retourné Tiens, je te regarde, tu vois les choses se secouler autour de toi. Le Seigneur, appelle le Seigneur. Appelle le Seigneur et dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je suis tombé dans le péché. Seigneur, aide-moi. J'ai retrouvé. Seigneur, je suis perdu. Crois le Seigneur. Il faut appeler le Seigneur. Quand tu appelles le Seigneur, il va te, il va te régénérer. quel est ton caractère Quelle est ta vie est-ce que tu as un, caractère mauvais et tu veux sortir hors Et tu as ce caractère mauvais, tu dis Seigneur, aide-moi. Il faut prier. Quand tu pries, la Bible dit que Christ a eu compassion de ces personnes qui criaient envers lui. Il les a sauvés. Il les sauva. Quand il les, il les, quand il les a sauvés, et ils ont décidé de le suivre. Quelqu'un a dit, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus et je ne vais jamais retourner derrière. Les amis peuvent me poser, mais le monde peut me poser, les problèmes peuvent me poser. Je J'ai décidé d'aller devant. J'ai décidé de suivre Christ. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, le monde derrière moi, la croix devant moi. J'ai décidé, une fois j'étais aveugle, maintenant que je suis venu en Christ, j'ai la vision claire. Et je regarde devant, je fonce vers devant. J'ai mis ma main sur le charrue et je m'en vais vers devant. Et j'avance vers devant. Je m'avance, je m'avance, je m'avance vers l'avant. Et je ne regarde jamais. Je ne reculerai jamais derrière. Alors, est-ce que je te pose cette question Est-ce que tu suis Christ seulement pour un petit moment, pour un instant, et tu commences à reculer derrière non, suis Christ. Suis Christ jusqu'à la fin. Suis Christ à la fin, car la Bible dit, celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé, sera sauvé. Il faut qu'on n'ait pas ouvert ta bouche et dit Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la grâce pour que cette course, je puisse la traverser la finir avec succès, avec récompense, Dis au Seigneur, j'ai décidé de suivre. J'ai décidé de, te suivre, de te servir. Je ne vais jamais regarder derrière. Quand bien même quand bien même, quand bien même ma famille me pose, quand bien même cette personne me pose, sois précis et concis dans ta prière. Seigneur, aide-moi, quand bien même ces problèmes, le monde, le monde est contre moi quand le monde est contre moi, je perce vers l'avant. Je vais aller jusqu'à la fin, Seigneur. Aide-moi par ta grâce. Et le Seigneur t'aidera au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur, pour cette aujourd'hui parole que nous avons écoutée. Seigneur, beaucoup de personnes ont beaucoup d'idéologies, idéologies, beaucoup de pensées, beaucoup de temps, différents cœurs, différentes, pensées, différentes idéologies. Seigneur, nous prions que toutes ces circonstances qui embouchent beaucoup de personnes pour qu'ils n'arrivent pas à aller de la vie l'avant, je prie Seigneur que tu sanctifies nos cœurs, tu sanctifies notre vie, tu sanctifies notre caractère, tu sanctifies tout Seigneur, que nous n'allons pas être désirés des positions, désirés de, de, pouvoir faire le, de, te faire voir, de se faire vanter, de se faire voir dans nos positions, de voir la puissance de quoi que ce soit sur ce monde. Seigneur, ôte cela de nous lave-nous, donne le cœur humble, le cœur humble, le cœur doux, le cœur endurci, le cœur endurci soit doté de nous au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la force, plus de force, plus de force, plus de grâce, plus, Seigneur, de, l'anticipation de pouvoir travailler et faire ton travail plus qu'avant au nom de Jésus. Seigneur, merci, car nous savons que tu as été un grand Dieu. Et tu vas continuer à nous bénir et que nous allons continuer à servir toi au nom de Jésus. Seigneur, pour que notre service ne sera pas en vain à la fin. Seigneur, merci car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors mes frères et merci, que vous bénisse. S'il plaît, à Dieu si tarde, on se verra encore pour la semaine prochaine pour une autre étude. Merci, restez bénis. Amen.